Du jour au lendemain, vraiment, les choses se sont compliquées. En tout cas, jusqu'au pire, même si je peux le dire. Bon, si à un moment, ma belle-mère devient ma co-épouse, vous imaginez un peu, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est chez moi, je travaille, c'est mon mari, je n'ai pas le droit de, de m'habiller comme je le veux. Je n'ai pas aussi le droit des fois aussi d'habiller aussi mes enfants.